votre émission hebdomadaire des jeunes au micro, Rabi Maikano. Aujourd'hui à la FADA, nous parlons du changement de l'hymne national. Ça fait le buzz sur la toile et dans la rue, tout le monde en parle. notre hymne faut-il un peu le modifier ou complètement le changer pour en parler nous avons installé la fada dans le jardin du ministère de la Renaissance. Et s'il devait l'écrire, que mettrait-il à l'intérieur Nous sommes avec monsieur Cheibou Maman, il est membre du comité des experts sur l'hymne national du Niger. Bonsoir monsieur Cheibou, vous allez bien Bonsoir, euh, bonsoir madame. Nous sommes euh, également à cette fada avec euh, monsieur Issoufou Oumarou, il est artiste, plus connu sous le nom de Fenobi. Feno, ça va Bonsoir, ça va. Layalo, a wannan fadar muna tare da Mamman Bukari, shi kuma na ONG Simam, citoyen magazine model. Ça va Bukari? Oui, ça va très bien. A wannan fadar muna tare da Abdurrahman Ila, il est du ministère de la communication. Abdurrahman, ça va? Ça va, bonsoir madame. Kana Nous aurons également un vox pop de la musique et la chronique d'Olivier. Depuis un moment, les paroles de la Nigérienne font l'objet de nombreuses critiques. Wasu suna tambaya kansu wai shi wannan taken na ƙasa abubuwan da aka rubuta ciki que sun cancanta a zamana da su kuma duka wannan hirar est parti de l'annonce du président de la République Mamadou Soufou. Il dit vouloir modifier voire changer l'hymne national. Avant d'entrer dans le vif du sujet, zamu ta agres inda abokin aikin mu Anise Karim ya gamu da wasu matasa da suka bashi ra'ayin su bisa kan wannan canza taken l'hymne devrait être changé. Donc là où on parle de notre liberté nouvelle, quoi. Donc cette liberté n'est plus nouvelle. Et ces passages-là devraient être modifiés. C'est déjà un pas pour le Niger en tant que fille et fils du Niger. On a déjà dépassé la, la colonisation. Nous voulons que ce soit un nouvel élan pour notre pays. Je vois que c'est vraiment une bonne initiative, vraiment le fait euh, de changer notre hymne national. Je soutiens vraiment ce changement de cette hymne nationale pour euh, l'évolution du pays ainsi que nos frères euh, et sœurs qui vont venir vraiment après nous et qui soient vraiment plus à l'aise que nous. Il faut que notre hymne reflète vraiment cette culture. Vraiment, nous soutenons ces changements. Nous souhaitons que ces changements puissent apporter un développement parce que l'hymne national qui a été fait, c'est depuis au temps de la colonisation. Donc, euh, il y a eu la décolonisation, il y a eu des changements. Donc, il faut qu'on change l'hymne national, il faut qu'on ressent la nouvelle culture. Donc euh, vraiment, en tant que citoyen, nous, nous souhaitons que les changements. Monsieur Cheib Maman, je commence par vous. Je partage entièrement le point de vue développé par ces jeunes gens. L'hymne national du Niger, tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire la nigérienne, le processus de son élaboration est engagé le 24 décembre 1959. Donc cela fait aujourd'hui on peut dire presque 60 ans, et c'était un moment où notre pays n'était même pas encore indépendant. À l'évidence, comme certains jeunes l'ont dit, il y a des propos, il y a des termes, il y a des expressions qui sont totalement obsolètes, c'est-à-dire qui sont de depuis. Voilà, <laughs> il y a des expressions vraiment qui ne correspondent plus à la réalité nationale, aux différentes préoccupations nationale dans notre pays. Justement, en parlant d'artistes, nous avons un avec nous, Issoufou Omarou Fénobi. Euh, malheureusement, je ne suis pas d'avis, moi, parce que je me dis, en fait, ce n'est pas l'hymne qu'il faut changer. Il y a des lignes dans l'hymne qui dérangent certaines personnes, qui dérangent même tout le monde. Moi, je pense qu'il faut aller voir ces lignes-là, visiter ces lignes. S'il faut changer, il faut les changer. Ou bien se demander pourquoi ces lignes ont été comme ça. Parce que moi, quand je, je lis l'hymne, je me réfère aussi à l'histoire de notre pays. Je me dis que euh, les chantres des indépendances de notre pays ont beaucoup lutté pour qu'il y ait indépendance. Que ce soit les Nigériens, les Ivoiriens, un peu partout, les chantres africains des indépendances, ils ont beaucoup lutté pour qu'il y ait indépendance. Et moi, pour moi, au lieu de dire notre liberté nouvelle, c'était une liberté confisquée. kaman ba cikin aladunmu don suna da mana kaman suna da mana kenan mm. ko an ce a zo a sauya im yanzu mu kaman mu duk wanda suna da shekara karanta va 30 20 c'est quelque chose qu'ils ont grandi avec l'IMLA. C'est une culture. Pour nous, ça fait partie des valeurs culturelles ou bien scolaires même que nous, on avait connues. Tu vois, si par exemple, il faut le changer, ok, il faut le changer, c'est bien. Mais maintenant, tout à l'heure, l'ancien parlait aussi des artistes pour composer la musique. C'est là où je, je, je, doute, je doute fort parce que... Oui, parce qu'en en fait, faire une mélodie, c'est facile, mais l'écrire musicalement, c'est difficile. Et il n'est pas donné à n'importe qui d'écrire une musique sur des, sur des grilles de musique. Je ne sais pas, au Niger, peut-être si l'armée est impliquée, peut-être dans l'armée. kwata-kwata ma ya kamata kwata-kwata a sake ta oh, mu a namu tunani a namu hange gani muka yi in ka ba wanda ya rubuta ta ba dan Nijar bane ba su kansu eh, babanmu da yake nan zai yana iya baku dan karamin tarihi na imna sun ya rubuta ta eh, kasance cewa mu muna eh, a matsayin yan Nijar masu wanda suka ko da ce muna karatun turanci mun iya turanci gashi a ce mm. babu dan kasar Nijar wanda zai iya rubuta imna sunal muna da bubu hamma muna da eh, mutane wanda suka rubuta su mamani abdullahi wanda suka rubuta littattafai wanda suka yi suna cikin duniya ce ba mu iya rubuta ina sunan tamu abun kunya ne gare mu a ce wai yau muna son ta Niger wai ba ɗan Niger rubuta ta kuma eh. a ce muna da incin kai gaskiya wannan abu ne wanda kai baka yarda da shi ba bukari kenan mu ni dai ba ni ba ni bin yarda da abun da fiye ci ba na cewa ina so bai kamata a sake ta mu a nan tunani ya kamata a sake ta kai kowa ce incin kai har yanzu muna cikin kawa mulkin mallaka ne hmm. kuma mu a nan tunani ya kamata a ce Nijeriya ya samu cikin kanshi ya samu incin kai La renaissance doit être vraiment généralisée. Car c'est une renaissance, une, une renaissance vraiment superficielle. Il faut que la renaissance soit profonde. To yanzu barin dawo gare ka Abdurrahman Ila. To ka ji dai abin da bukari ya ce. Kawai muna iya wannan sabon takin kasa bai kamata ba a ciya ga gare mu. Eh bai kamata a ciya ga gare mu ba idan muka duba irin al'umma wanda Allah ya bamu mai hangen nesa wanda a tarihin Niger wanda sun yi abubuwa da dama wanda har yau muna ci gaba da moruwa da unhwanuwa da abubuwan da sun ka da sun kai. Eh in kun ka diba kamar shi zancen taken ƙasa abu ne wanda eh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna suverenity na ƙasa eh, in ba za ku manta ba cikin kundin tsarin mulki na ƙasa yankun ka ɗauka daga wajen inda mun ka yarda da irin eh, abubuwan manyan manyan convention da Nijar ta ce ta da ita irin na kare haƙƙin adam abubuwan da sun ka fara zawa su ne dukkanin su ayoyin doka da ke magana abin da ya shahi ƙasar Nijar. To im tana da alaka da tarihi. Yanzu me ya kamata mu duba? Abubuwan da ke cikin ta. Shin abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce yau ƙasar mu ta Nijar mun yi unhuwan da su kuma za mu ci gaba da mm. tahiya a kansu bayan muna sauraron abubuwan. Duka kwata-kwata ne ya kamata a soya ta koko akwai wuraren da kake so. A'a. Waka ci ma wai ta burge ko melodi kin ci ma ta burge ko miye wai. A'a <laughs> melodi melodi madam bari in gaya muku wani eh. wani dan abun ga melodi kin akwai daɗi. Eh ah. saboda wuwi mai amman mu dibi continue. c'est ça le plus hein, c'est ça le plus important akwai sauran en eh, kasa da suke in sun ka tafi waje in an buga melodin akwai de suna hawaye c'est bon ça je ne disconviens pas mais le oui im. Eh. les jeunes ils tiennent à cette mélodie quand même hein. il y a une partie qui tient à cette mélodie à cette table même nous avons deux oui <laughs> je vais vous demander un petit truc Là, on parle de l'hymne et jusque-là, on ne l'a pas chanté. Avant de lui dire bye bye, surtout ça, la Fada, on va chanter un coup l'hymne. Auprès du grand Niger puissant qui rend la nature plus belle, soyons fiers et reconnaissants. Vis-à-vis de qui moi, par, exemple, par exemple, moi, dans ma pensée, je me dis, quand on dit soyons fiers et reconnaissants, eux, ils disent le, le français qui a écrit le truc veut reconnaître je sais pas, c'est une faveur pour lui ou bien c'était leur force. Il veut que le Niger ou les fils du Niger reconnaissent euh, leur euh, grâce qu'ils ont fait. Et moi, je me dis, soyons fiers et reconnaissants des chantres de nos indépendances. Un en musique. On se retrouve juste après à nos FDS de Abel Zamani et Safia. C'est une chanson hommage à tous nos FDS Hommage à tous nos FDS Hommage à tous nos FDS C'est une chanson qui se veut un hommage À tous ces soldats tombés sur le champ d'honneur pour nos soldats qui ont défendu notre pays avec tant de courage et de bravoure. À ces soldats, nous disons merci beaucoup. À ceux qui continuent, on leur dit bon courage. Kodiyama Kemoko, Niger saboda kwancin hankali ya cikin kasa nesa ga gida nesa ga uwa nesa ga diya saboda kwancin hankali ya kasanmu godiya muke maku Allah ya ba ku nasa ga mahasada diga sosai, Allah a cikin daji rayuwar Yanda mun kasa haka za mu koma Ku tashi mazaje su mazaje Cikin mazaje su ne suka fito gate Irso gese no irgo gate Irmi fonda gwai ga sabu Da gogate la bose Ku kula da Je suis au garde à vous pour exprimer mes respects. Je lève la main pour vous, pour fêter tous vos succès. Nous admirons tous le courage, la force et votre dévouement pour qu'on vive en paix. Vous ne savez pas que vos peines sont nos peines. À ceux qui sont encore là, nous vous souhaitons le meilleur. À tous ceux qui sont partis, que votre demeure soit le paradis. bose ku tashi mu tashi mu kula da lura mun musu sallah Allah ya tsare su ikwai mi soke ikwai mi yafa Nous sommes ici dans le jardin du ministère de la Renaissance culturelle. Nous sommes également avec Issouf Umaru, il est artiste de l'ONG Simam, citoyen magazine modèle. Nous sommes également avec Abdurrahman Ila du ministère de la Communication. Plein de jeunes réagissent sur la toile. Je vous ici quelques posts sur Facebook. Là, c'est un post de Jibril Hamani. Je pense aussi au changement du nom. Le Burkina l'a fait. Ce changement est en quelque sorte devenu une fierté nationale dans le pays des hommes intègres. Un autre euh, Salim Salim Zangina, pourquoi créer un nouvel hymne national du Niger Retirer et remplacer simplement les partis au relan colonialiste ou douteux. Notre liberté nouvelle. J'aime bien le auprès du grand. Niger puissant, qui rend la nature plus belle. Pas toi, j'aime bien l'instrumental. Pas toi, alors changeons ce qui nécessite de l'être et pas forcément tout. Monsieur Cheikh Maman, cet intérêt pour l'hymne, au fond, ça reflète quoi Parce que je gars, je an yanzu ya ki <laughs> Ni <laughs> To au fond je crois que c'est une très bonne chose que, euh, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes s'intéressent beaucoup à notre hymne. Euh, cela veut dire, vous savez, un hymne, c'est quoi Un hymne, c'est quelque chose qui est de nature à glorifier l'orgueil national. Vous voyez bien, c'est un chant qui est de nature à permettre une certaine mobilisation affective vis-à-vis vis à vis n'est-ce pas, de la nation. C'est aussi euh, un chant qui est de nature à cultiver le patriotisme. Un hymne, c'est euh, quelque chose qui est de nature à mettre les citoyens, à la limite même en transe. En transe, quand vous entendez l'hymne national de, votre pays, eh bien vous, vous sentez, que votre nigérianité est totale et vous êtes fier d'arborer évidemment cette, euh, disons cette

mutane mhm. suke nan ko kun sani ba wai ina sunan ga ko magana ma mutane ba su tunanin shi ba mm. mai shugaban kasa ya bada wannan dama mutane suna nan suna ta revolution abin da ya shafi France fa abin da ya shafi kuma na fesa sojojin kasashen waje da ke nan kasar mu da sauransu mai ko wajen can imi shi ma kanshi wani zance ne mai muhimmanci kuma dama ce aka bamu ko juyin juyin hali ne wanda in gurin ya an sauya a na tunani ko a na hange zai bada zai bada yan cewa mm. na farko muna tunanin cewa zai sauya zai kawo kishi kishin kasa mm, zai shiga zai shiga rankowa abu ne wanda nigeria su kan suka tashi suka ce sun saki kuma na biyu muna tunanin cewa soya in wani abu ne wanda mu kanmu ko zai ba kasan incin kai paske faranshi can tana ganin cewa wanda wanda im dan kasar ta ne kuma za ta tunanin cewa kenan mutanen ga sun yi wayo kan su ya fara wayewa gashi nan sun sake im su kenan ta dire fenu je me dis que si par exemple le président s'est décidé avec le gouvernement à changer l'hymne je me dis qu'il soit en train de euh, ils sont en train d'aller en révolution. Et une révolution, moi, je pense, il ne faut pas la faire à moitié. Aujourd'hui, on veut changer notre hymne. Je me dis qu'on a des valeurs, il faut partir vers ces valeurs-là et parler à la jeunesse parce que c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Il y a à sensibiliser les jeunes à prendre conscience du patriotisme, à se dire d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on veut aller. Donc c'est une forte révolution qu'il faut d'abord réfléchir. in mutum ya ji shi ya kamata shi ji akwai wani jikinka ya yi tsamkin wannan akwai wani abu wanda yake son kamar in mutum ya ji shi zai ji wani so wadda kamuna na kasa shi yana zai ji shiga jikin shi saboda gobe shi iya kawo wani ci gaba cikin ta ya kasa shi abu ne mai ɗan karin muhimmanci wanda mutane suna suna birman alfahari da shi saboda kasa in ba ka ji kana son ta ba to babu yanda za a yi ka kawo ta ka gudunmuwa cikin gina kasa. Hmm. moi je pense que c'est c'est vraiment une bonne chose kuma eh, gaskiya mun gode da tonton da shi kenan suke kara muna eh, haske sosai <laughs> revolution ga ta farko ce babu revolution wadda an ka ɗauka dungume lokaci guda in mun ka dibi irin defin da ke gare mu yau mu ɗauki revolution lokaci guda mutum ce muna son mu cimma gaci to ina tamanin eh, akwai sauran tahiya ɗazun ga wani daga cikin masu bayani sun yi magana amma canza sunan ƙasa saboda akwai wanda sun kai idan kun ka tambaye mutum ma mi ake nuni da Niger madam da yawan mu ba za su iya gai ba yau an kace mu dan Burkina me ake nuni da Burkina Faso avec fierté zai ga mu na komi komi ake ni kenan wanga na horko ne kuma ya nuna mana shugaban kamar hanya ce mu muna tracé nous rappelons aux auditeurs de nos 41 radios partenaires qu'ils peuvent nous suivre qu'ils peuvent réagir sur cette émission en envoyant leurs questions 80 06 88 54 Mouna Arkoma, Moucha de ba musique comme cette fois-ci un peu de douceur avec tu es mon soleil de princesse lover les esprits se sont un peu chauffés on va refroidir un peu la fada <laughs> say changement de l'hymne national qui fait le buzz sur la toile les jeunes en parlent matassa, cikin fada babu inda ba a zancen wannan su ce a sauya kaza wannan su ce a sauya music kin wasu su ce kawai kwata kwata ma sunan Niger kin ma soya. Hier on da muke nan ga tare waɗanda on ga a wannan fadar muna tare da Shebu Mamman il est membre du comité des experts sur l'hymne national du Niger Merci, monsieur Chebou, d'être là avec nous. Nous sommes également avec Fenobi, Issoufou Omarou, on va Issoufou Omarou. Feno. <laughs> Ça va Feno Yane Ça va, tu vas bien J'aime bien la fada Oui, j'aime bien, j'aime bien. Nous sommes également avec Maman Boukari, il est de l'ONG Simom Abdraman Ila, le ministère de la Communication, au prochain ministre de est tout à l'heure je le disais, nous ne sommes pas les premiers. En 92, le Togo a changé son hymne, le Burkina Faso a changé son hymne national et son drapeau et plein d'autres pays africains. La Mauritanie il n'y a pas longtemps. La Mauritanie, OK. Ouais, ouais, en 2019. La Libye aussi, je crois. La Libye aussi. Oui, le Rwanda également. A changé de langue. Selon vous, Monsieur Sheib Maman, à quoi Qu'est-ce que ça va réellement changer Vous savez, aujourd'hui, la société nigérienne, elle est en train de véhiculer un certain nombre de valeurs qui, par définition, sont positives et qu'il faut renforcer. Je pense par exemple à la fraternité, à l'unité nationale, au culte du travail bien fait et à l'abnégation à la résilience. Mais la société nigérienne aussi est confrontée à un certain nombre d'antivaleurs ou de contre-valeurs qui par définition sont négatives. Je pense par exemple à la corruption. Je pense au souci, euh, au fait que beaucoup de gens, il faut le dire, ne travaillent pas bien. Mm. même si vous avez votre propre travail, n'est-ce pas On constate qu'il n'y a pas une certaine abnégation au travail. Un hymne nationale. Et lorsque quelqu'un doit composer un hymne national, il doit tenir compte de ses valeurs et de ses anti valeurs qu'on inscrit dans la durée. Mhm. Qu'on inscrit dans la durée. Vous savez, quand je dis l'unité nationale, même dans, 50 ans, on continuera toujours à parler d'unité nationale. même dans 50 ans, on continuera toujours à parler de fraternité. tout changement est toujours difficile à avaler. Merci, bien, monsieur Maman Shaibu. yanzu in dawo gare ka feno a ganin ka shi wannan takin kasan aka sauya shi mi kuma zai sauya bayan shi bon je me dis hein, euh, in an sauya wannan tashin kasa duk abun da ya kamata ya sauya euh, monsieur le directeur a dû a, a eu à énoncer mm. certaines valeurs. C'est sûr qu'ils vont tenir compte des valeurs parce qu'ils ont souvenance des souffrances de notre pays avant les indépendances, pendant et euh, peut-être même réfléchir à l'avenir, ce qu'il faut éviter. Donc je me dis que ça doit être un hymne qui va nous parler, ça doit être un hymne qui va nous rendre braves, ça doit être un hymne qui va nous rappeler à d'où on vient et où est-ce qu'on veut aller et quel genre de nation on veut construire. Merci Feno. Yanzu in dawo ga matasan da sabon ana so a ita. In kuna iya sawa a cikin da zai iya cewa ko tarihi ne muke na muna kafawa na kasan mu baki daya. Kuma inda koi dama wadda ke gare mu ta sake ina sunar ko kuma ta gyara kasanmu yanzu ne ba sai nan da wasu shekaru ba can daban hmm. suke yanzu ne muke da mafi yawan 'yan kasar nijar matasa ne kuma matasan nan ba abin da ke cikin zuciya sosai kawai na ce ko gurin su ga sauyi su ga wani sabon sauyi yanzu zo eh, kuma ga sauyi imna sunal ko na ce tarihi ne za mu kafawa in dai aka yi shi yanda ya kamata za ku ga cewa wanga matasan kawai sai kwamsi za a samu su wani wata allura sai za a musu ta kishin kasa ta kishin kasa ba sai kife kenan duk wani za ku gani tunaninsu da kuma yanayin su insha Allah ni a ganawa tunani zai sake nagode yanzu bari in dawo gare ka na minister kin communication kai a ganin ka shi wannan takin aka sauya shi hmm. dami dami kuma za su canza bayan shi eh to yanda ya riga ya bayani ne hmm. yana da wahala yau daga nan kai tsaye mu ce kamar ga abin da ya kamata a sauya abin da ya kamata a cire abin da ya kamata a kara sanin da kowa ne yan Nijar akwai wani wata linyi wadda Grand Fino ya yi magana inda ake cewa ya kamata mu yi horin ciki mu bugun gaba da jin daɗi an ba mu an ba mu incin hmm. to shine shi incin wa an ka bashi ko kuma da an kai ni an ka ba mu incin shin za mu a ci gaba da zancen cewa na yi horin ciki da gidana eh dan ka ba ni inci bayan duka ka swace min duk abin da gare ni kwarai kuwa ka sace min hmm? al'adata ka sace min al'adata hmm? ka sace min tarihi na ka sace min yanayin tunani na kuma ka ce yanzu in yi bugun gaba in yi horin ciki hmm? da kenan ba bugun gaba babu horin ciki kuma abin da nake so yanzu a sauya a ciki shine ya kamata rubutun da za a yi wanda za a yi sabuwa kin in ma sauya ne za a yi kamar wanga tsari na president le niger curene c'est ça ya kamata mu san notre attachement d'abord à l'unité nationale notre attachement aussi aux valeurs de l'unité africaine OK nous sommes à la fin de tout à la fada mais avant de se dire bye bye nous allons accueillir Mr Olivier qui nous vient aujourd'hui avec la chronique elle est la chronique elle est elle est scientifique elle est purement scientifique chronique aux couleurs scientifiques aujourd'hui dans la fada du samedi semaine africaine de la science au Niger on capte l'occasion pour parler du rôle de la science pour le développement d'un pays comme le Niger. Mais d'abord, la science d'un individu, c'est l'ensemble des connaissances qu'il possède, acquis ou bien qu'il a acquis par l'étude, la réflexion ou l'expérience. Pour les jeunes, que représente l'apprentissage des sciences dites exactes Étudier la science physique ou les mathématiques, quelle préférence pour les jeunes lycéens J'ai choisi la seconde parce que j'aime la littérature, j'aime lire et je comprends mieux le français qu'autre chose. Bah, tu pouvais choisir les mathématiques aussi, non Pourquoi tu l'as pas fait <laughs> Je ne je suis pas forte en euh, sciences, maths, PC. Les mathématiques, la physique, ça te plaît pas Non, non, ça marche pas avec moi. Et pourquoi oh, Ça, ça rentre pas dans la tête et puis euh, les formules, la norme. Oui, j'aimais faire euh, les séries scientifiques parce que dans l'avenir, je choisis, euh, j'ai préféré des plans. Voilà. Donc, si on fait les séries littéraires, on ne peut pas aller. Quels sont tes plans Et, euh, Ingénieur, hein. je veux être ingénieur, pilote, génie civil, architecte. Et voilà, c'est ce que je, je vois d'abord pour le moment. Euh, entre les sciences mathématiques et les autres sciences, lequel tu préfères les mathématiques. Mais ben, pourquoi Juste que, parce que les mathématiques ne, diffèrent jamais. Par contre, que les, la littérature, le français, ce sont des, notes plus ou moins arbitraires. Quoi. C'est pour cela que je n'ai pas. J'aime le plus la mathématique. Pour toi, pourquoi tu n'aimes pas les mathématiques et les sciences physiques Bon, c'est pas que j'aime pas les mathématiques. j'aimais la mathématique. Mais par après, je négligeais la mathématique parce que je ne m'exerçais pas. En fait, j'aime pas trop consacrer mon temps à l'exercice. Bon, eh, vous avez tout compris. Hein. Pour d'autres, euh, c'est parce qu'ils n'aiment pas du tout la mathématique, ils sont pas très bons avec les chiffres. Pour d'autres, c'est juste une histoire de préférence. Mais si nous allons plus loin, il est constaté que les résultats des recherches aident à guider les politiques publiques. C'est-à-dire prévoir les genres d'inondations, prévoir les tremblements de terre dans des pays qui ne sont pas le Niger, bien sûr. Pour Guillaume Favreau, le représentant de l'Institut de recherche pour le développement au Niger, le rôle de la science, c'est ça. Nous sommes dans une période de transition euh, écologique, scientifique, énergétique. Ces périodes de transition, on les observe de manière accrue sur les dernières années mais il manque souvent pour les études euh, et l'évaluation les, premières euh, estimations qui ont eu lieu euh, au tournant des, indépendances et donc les observations hydrologiques. Le fleuve Niger, par exemple, s'est totalement asséché en 83-84. Ce sont des techniciens de l'Orstom qui, en, collaboration avec le ministère de l'Hydraulique, ont mesuré ces, débits et les ont remis dans une perspective historique. Et tous ces changements que l'on observe, finalement, depuis très longtemps, en tant que qualité d'observateur, euh, permettent de euh, mieux guider les politiques publiques. Voilà, ça c'est le rôle de la science. Quand le fleuve s'était asséché, c'est grâce aux travaux scientifiques que le fleuve a été remis dans ses bains. Apporter de l'eau aux populations, prévenir des épidémies de choléra ou de grippe à travers des médicaments et vaccins. Voyager sans se déplacer, la réalité virtuelle, les villages intelligents dans les localités de Fachi dans la région d'Agadez, par exemple, voilà le côté positif de la science. Mais la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est François Rabelais qui le disait au XVIe siècle déjà. Changement climatique, cybercriminalité, eh bien, quand on voit les prouesses de la science et les dérives du monde actuel dans l'usage des technologies, qui ne sont que les fruits des produits scientifiques, on se demande où va le monde quand les hommes poussent leur imagination au-delà du réel sans pour autant faire attention aux conséquences néfastes. Avant de se quitter, chers amis, petit rappel pour vous, le concert qui Réveil de l'artiste Fiaxis c'est ce soir à 19h au Centre culturel franco-nigérien. D'ici là, portez-vous bien, paix, lumière, amour sur vous. Bye bye. Merci, Mr. Olivier. C'est tout pour euh, la fada du samedi. C'est mon samedi tonton kin namu shaibu mamman da ke cikin kwamitin da yake kula da sauya wannan taken kasar mun gode muku da ra'ayinku da kuka bamu kamar an matasan da suke cikin wayo fara suka ce canji abu ne da ya kamata a yi shi kuma a san in aka canza hallo abu kirki ya kamata a sa a ciki shi dai wannan taken wasu su ce a sauya shi kwata-kwata wasu su ce a sauya wasu wuraren shi shi dai canjin dai akwai zancen canji to yanzu dai mun kare wannan fara ka kuma ce duka masu shuraren mu suna yayi kuma na tambayoyin su kuma su aika mana duka ra'ayin su bisa kan wannan shirye-shirye namu a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 06 88 sai mun ƙara haɗuwa tus Fada.